3 août 2023, une journée spéciale pour le Niger. Chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Fanta Chamsou et à mes côtés Habiba Ahmed pour la présentation. Bonjour Habiba, comment tu vas Bonjour Fanta, je vais bien et toi Ça va aussi, Alhamdulillah. À la technique, c'est Abdoulaye Bunga et Adam Adouaki à l'édition. Super, alors quel est le programme du jour ce matin à Biba, il y aura le flash d'information, la page sport, une rubrique hebdo sur l'éducation numérique et de la culture linguistique. Dans la partie éco des régions, nous ferons aussi un tour à Tirozérine dans la région d'Agadez. Et comme invité ce matin, nous recevons Adamou Seydou Alkeirou. Il est le président des Almini de plan international. Avec lui, nous allons parler de cette association qui lutte pour les droits des enfants et des jeunes. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Rafika Taher pour les flashs d'information. Bonjour Rafika. Bonjour Habiba. Comment ça va Ça va bien. Quelles sont les nouvelles ce matin alors, parlant de journée spéciale, comme l'a si bien dit Fanta, le Niger célèbre aujourd'hui, jeudi 3 août 2023, le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance couplée à la fête de l'arbre. Occasion pour chaque Nigérien de planter un arbre pour lutter contre l'avancée du désert dans le pays et préserver durablement l'écosystème du pays en restaurant des terres et en luttant ainsi contre la désertification. Selon les statistiques officielles, les superficies des savanes boisées, des savanes arbustives et les forêts ont chuté de 156 000 hectares à 117 000 hectares, tandis que les superficies des cultures ont bondi de 65 000 km à 102 000 km sous l'effet de la pression démographique, soit 3,9% par an. Ce matin aussi se tient pour la deuxième fois à l'appel du mouvement M62 d'une marche pacifique suivie de meetings pour dire non aux sanctions de la CDAO et de l'UMOA et exiger le départ immédiat des forces françaises de l'ambassadeur de France au Niger. Le général de division Salif Moudi, numéro 2 du CNSP, accompagné d'autres officiers supérieurs de l'armée nigérienne, est arrivé hier à Bamako au Mali, où ils ont été reçus par le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Le général Salif Moudi avait pour objectif de transmettre aux autorités de transition malienne, militaires maliennes, les remerciements du CNSP pour la solidarité qu'ils ont exprimée au Niger suite aux sanctions de la CDAO, mais aussi renouer le contact pour donner un nouvel élan à la coopération militaire pour des pays voisins qui font désormais face aux mêmes défis politiques et sécuritaires. Enfin, à travers son communiqué numéro 17 du 2 août 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie porte à la connaissance des usagers de l'administration fiscale que le paiement des impôts et taxes se fait désormais directement au niveau des guichets des receveurs de la Direction générale des impôts. Par conséquent, poursuit le CNSP, les procédures de télépaiement et de compensation auprès de la Sony Bank se feront au cas par cas. C'est tout pour ce flash de ce matin, Habiba. Merci Rafika, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup Rafika. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, comme invité, nous recevons Adam Mousseidou al Il est le président de l'association Alumni de Plan International au Niger. Bonjour Monsieur al Bonjour Fanta. J'espère que vous allez bien. Ah, très bien, Dieu merci. Donc euh, ce matin avec vous, nous allons parler de votre association, de ses objectifs, de ses activités. Effectivement, et merci beaucoup euh, Fanta. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter la première musique de notre playlist du jour, spécialement dédiée à tous les Nigériens qui sont à l'écoute de cette émission, un séjour spécial. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Rana Uku du Rana Uku, a Uh-huh. Ajá. <laughs> yeah. a cikin watan takwas rana uku a cikin watan takwas rana uku a cikin watan takwas rana uku a cikin watan takwas aha heba Et eh oui, c'est jeudi 3 août 2023, le Niger célèbre le 63e anniversaire de sa fête d'indépendance, une journée caractérisée par des valeurs citoyennes et aussi environnementales, mais aussi par des valeurs de paix. En effet, Fanta, l'indépendance du Niger a été proclamée le mercredi 3 août 1960 par le président de la République de l'époque, Diori Hamani. Mais ce n'est que quatre années plus tard, c'est-à-dire en 1960, qu'a été célébrée la fête de l'arbre pour toute la première fois. En 1964, Habiba. Et c'est un signe et un symbole que ces deux fêtes soient conjuguées. 63 ans plus tard, la fête de l'arbre est toujours célébrée et ce sont ces deux journées jumelées que chante Ali Jubo dans cette belle chanson. mata da samari sai ku tashi mu kama aiki yan mata da samari sai ku tashi danga abar mu yan mata da samari sai ku tashi domin akan mu wake dan maha abin ati adịghị nweta I ihe na ukwu adịghị nweta ndọkọ Mes auditeurs, c'était à l'instant le titre Ranar de Fait Ali que vous venez d'écouter. Nous revoilà à présent au studio avec notre invité du jour. Il s'agit de Adamou Seydou El Kairou, le président de l'association des Alumini des plans international. Rebonjour, monsieur El Kairou. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qu'une association d'alumini euh, L'association des alumini, c'est l'association des anciens enfants parrainés ou si ayant bénéficié des interventions du programme du plan international. Cette, cette association a eu lieu en 18 mars 2023 de la volonté du plan international de faire appliquer sa stratégie d'influence à travers ces jeunes, ces programmes, pour pouvoir progresser les droits des enfants et jeunes et l'égalité pour les filles. Donc, euh, si on prend à part plan international, une association d'alumni, c'est une association d'anciens bénéficiaires ou bien d'anciens élèves de... Effectivement, oui, anciens enfants parrainés. Et c'est le cas de votre association. Effectivement. Alors, quels sont vos plus grands objectifs Notre objectif, c'est de promouvoir la scolarisation de la jeune fille, de, de faire des plaidoyers, des campagnes de plaidoyers pour faire respecter les droits des enfants jeunes et de tirer des parties des médias pour amplifier les activités des alumni. Voilà. Et vos réalisations Voilà, donc nous avons eu à réaliser eh, plusieurs activités. Nous avions eu à participer au 16 juin, journée de la, 16 eh, juin, journée de l'enfant africaine. Mhm. Participation du 13 mai journée de la femme, participation aux bénéficiaires, à l'enquête des bénéficiaires à Dosso. Nous avons eu à participer à l'atelier de planification mhm. opérationnelle de l'année 2024. Nous avons eu à participer, à une plaidoyer, à une soirée de plaidoyer mhm. C'est sur l'éducation de la jeune fille. Nous avons eu à participer à des activités en ligne organisées par les CHNEJ en collaboration ou bien en interaction avec l'association des alumni. Mais concrètement, quelles sont les actions que vous menez Les actions que nous menons, nous faisons des sensibilisations mhm. dans les communes pour promouvoir la scolarisation de la jeune fille et le respect des droits des enfants et jeunes. Et euh, dans quelles communes vous avez euh, Nous intervenons dans 16 communes. Les 16 communes sont tous parrainées par plan international. Mhm. Notre zone d'intervention, effectivement, c'est les communes parrainées par plan international. Mhm. Vous avez d'autres partenaires en dehors du plan international Nous n'avons pas pour l'instant, nous n'avons que plan international étant partenaire mhm. direct. D'accord. Euh, merci à vous, Monsieur Alkaïrou pour ce partage. Chers auditeurs, avant de continuer cet échange, nous allons marquer une pause et écouter la deuxième sélection de notre playlist du jour. Habiba, tu nous proposes quoi Fanta, la prochaine sur la liste, c'est une vieille chanson qui date de l'époque de la Samaria. Il s'agit du titre Niger Zinari par le jeune fille de Matamai, Yamata Matamai. We karye zinare asilin chers auditeurs, Niger Dinar et une très belle chanson qui vante les mérites de notre pays, une chanson qui appelle à la paix et la cohésion sociale, mais aussi à l'unité pour le développement de notre chère patrie. Niger Zinare, comme pour rappeler à quel point le Niger est notre bio le plus précis, mais aussi à quel point il est important pour nous de cultiver et de sauvegarder cette paix. ka alkawalin su. Lariya. Cikin ƙasa. Damana. Kayabe. Aikin ƙasa. Silami. Rabbo. Rabbo. chers auditeurs, après cette belle balade musicale, revenons à présent à notre invité du jour, M. Adamou Seydou Alkeirou, président de l'Association des alumni de plein international. Monsieur Alkeirou, tout à l'heure, nous parlions des réalisations de votre association. Dites-nous en quoi euh, votre association a-t-elle aidé à faire prévaloir le droit des jeunes et des enfants ici au Niger Voilà, et merci. Et notre association a eu vraiment à contribuer dans les communes parrainées par plan international. D'abord, parce que pour être alumni, il faut être enrôlé. Mhm. Et, comment se fait cet enrôlement Voilà, l'enrôlement, il faut euh, être dans un village parrainé de plan mhm. et aussi avoir et au moins de 18 ans. Puisque après 18 ans, la personne, on suppose qu'elle est déjà alumni. Mhm. Voilà. Euh, comment, comment accéder Voilà, pour accéder, c'est-à-dire que plan international, il envoie des agents dans les communautés. Mhm. Et quand ils vont partir dans les villages parrainés de plan, ils n'ont pas besoin, c'est-à-dire de savoir qu'il faut avoir d'autres qualités pour être enrôlé. Mhm. C'est juste, on vient, on enrôle les enfants. Mhm les enfants du village. Euh, comment arrivez-vous à enrôler les jeunes filles pour accéder à l'éducation À l'éducation, merci. Et maintenant, les jeunes filles sont déjà identifiées. On identifie les jeunes filles qui participent d'abord, les scolarisées et les non scolarisées mhm. On les identifie s'ils participent. Ceux qui ne participent, si ils participent à l'école, on les aide. Et ceux qui ne participent pas à l'école, plan international, en collaboration avec ces jeunes, des stratégies, cherche d'autres mécanismes pour pouvoir vraiment orienter ceux des déscolarisés de pouvoir prendre le chemin de l'école. Voilà. Et quelles sont les plus grandes ambitions de cette association euh, Notre plus grande ambition de, euh, de cette association, c'est d'étendre la représentativité de l'association et ses activités mhm. au niveau des régions en cours de parrainage du plan international. Mhm. Avez-vous une idée des chiffres euh, que vous avez parrainés Oui, bon, chaque année, en tout cas pour l'instant, nous sommes, euh, en tout cas dans chaque commune, pour l'instant, mhm. nous pouvons atteindre au-delà de 200 alumni. Mais nous avons une Et pour un total de combien de communes Oui, un total de 16 communes. 16 communes. 16 communes. Ah, et pour l'instant, il y a, y deux régions qui sont en cours de parrainage, qui sont parrainées. La région de Tilabéry et la région de Dosso. Et mm. présentement, la région de Maradi est en cours de parrainage. Mm-hmm. Et bientôt Difa. Et comment vous contacter Comment contacter l'association en cas de besoin En cas de besoin, donc euh, en cas de besoin, nous avons des numéros mhm. du président qui sera disponible en cas de besoin ou bien son euh, mail son email mhm. qui est disponible en cas de besoin. Vous pouvez vraiment essayer de contacter l'association. D'accord. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup, Michel. merci beaucoup à vous de merci, merci, au revoir. Vraiment, merci. Mmh. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans la rubrique éducation numérique de ce jeudi, nous allons explorer le monde fascinant des codes barres. Ces petits motifs de ligne qui se retrouvent sur presque tous les produits que nous achetons. Et pour cela, nous sommes en compagnie de Farid Bourema. Il est membre de l'équipe numérique du studio Kalangu. Bonjour Farid. Bonjour Fanta. Ça va Ça va bien. <laughs> Alors, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un code barre un code barre est un moyen de représenter des données sous forme de motifs de lignes parallèles et espacées fanta. Mhm. Chaque code barre contient une séquence unique de barres et d'espaces qui encodent des informations spécifiques telles que des chiffres, des lettres ou des caractères spéciaux. Fascinant. <laughs> On aurait dit ensemble Habiba. <laughs> Mais comment fonctionne la lecture de code barre Fascinant, comme vous venez de le dire, euh, Habiba, c'est assez simple en fait. Pour lire un code barre, nous utilisons un scanner optique le scanner émet un faisceau lumineux sur le code barre et mesure l'intensité de la lumière réfléchie pour détecter les transitions entre les barres et les espaces. Ces transitions sont ensuite converties en séquences de caractères pour obtenir des informations stockées dans le code. Donc c'est comme si les scanners lisaient les informations codées dans les barres et les espaces. Intéressant. Mais quel type de code barre trouve-t-on couramment voilà, très belle question, Habiba. Il y a plusieurs euh, types de codes barres, mais les plus courants sont le EAN, European Article Numbering, utilisé pour les produits de consommation, le code UPC pour Universal Product Code, très répandu aux États-Unis, et le QR le code QR Quick Response, qui peut stocker plus d'informations, y compris des liens du texte, etc. Ah oui, les codes QR. J'ai vu ces codes récemment partout. Par exemple, sur la carte d'invitation des Tarmamou qui est passé récemment. À quoi servent-elles exactement Voilà, Fanta, sur Mamou, les tickets d'invitation portaient le mhm. code QR, mais les code barre, y compris le code QR, sont utilisés dans de nombreux domaines, dans les supermarchés. Ils aident à gérer les stocks et les ventes. Dans les bibliothèques, ils permettent de suivre les livres empruntés. Le code barre sont euh, également utilisés dans les expéditions pour suivre le colis et dans les billets d'événements pour contrôler l'entrée, comme, comme vous l'avez dit. Mhm. Les codes euh, QR en particulier sont utilisés dans la publicité, le marketing et même pour faciliter l'accès à des informations sur les produits à l'aide de smartphones. C'est impressionnant de voir à quel point les codes barres sont utilisés dans différents domaines. Un dernier mot pour nos auditeurs, Farid. Absolument, les codes barres sont devenus indispensables dans notre vie quotidienne en améliorant l'efficacité des processus et en réduisant les erreurs. Il joue un rôle essentiel dans la gestion des stocks, la logistique et la traçabilité des produits. La prochaine fois que vous, ferez vos courses, mesdames, mm-hmm. ou que vous irez à un événement, prenez un moment pour observer les codes barres autour de vous et vous verrez à quel point ils sont omniprésents. En tout cas, ils sont vraiment curieux. <laughs> Merci beaucoup Farid pour cette euh, présentation claire hein, et instructive. Ça sera tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas Donc, euh, nous vous remercions. Merci Farid, bonne journée à vous. Chers auditeurs, avant de continuer cette émission, nous allons souffler en musique avec ces morceaux Contière Hankali du groupe Oyuan d'Agadez. Contière Hankali, car c'est cette paix que nous souhaitons pour notre cher pays en cette journée spéciale du 3 août. auditeurs, ce titre un Hankali du groupe Oiwan que vous venez d'écouter nous rappelle à quel point il est important de préserver la, paix, car aucun bien, aucune richesse n'a réellement de sens sans la paix, la tranquillité et la cohésion sociale. Mais aussi, aucun développement n'est possible sans ces valeurs. Le groupe Oyuwa met en musique les textes du poète Alhaji Gonji qui interprète les guitaristes Bormo, accompagné d'un groupe de jeunes filles. Yuan chante la joie de vivre, les quotidiens des Touaregs, leurs difficultés. Il est très populaire aussi bien chez les nomades que chez ceux qui se sont sédentarisés dans le ville et donne de très nombreux concerts à Agadez, notamment lors des mariages. Voilà, chers auditeurs, donc après cette pause musicale, nous allons passer à la rubrique Écho des régions. Et aujourd'hui, c'est à Tirozérine, dans la région d'Agadez, que nous allons nous rendre, n'est-ce pas, Habiba Oui, Fanta. Aujourd'hui, notre correspondant Ahmed Fellan nous décrit dans ce reportage les calvaires que vivent les usagers de la route Tirozérine-Arlit. La voie principale reliant la ville de Tirozérine et celle d'Arlit est dégradée depuis plusieurs années. Ce mauvais état de la route complique la vie des usagers et les habitants de Tirozérine se plaignent de l'impraticabilité de cette route. akwai matsala hayya in bata da kwalta sunan ta ɗaya hayya hayyan nan da yanzu ta yi agadis akwai risk da yawa farin shine zaka ta ya bisa risk bisa bandi an katta hinan zuciyarka na cikin hannu sai ka isa agadis bancin haka nan kuma dai zaka ta hiya kana ta hiya kana ta wahala ga kana ta amai leda kana rike da leda kana ta amai sai dai ka isa rashin hayya ne wanga duk rashin hayya ne baka iya sa kayanka in dai komai tsabbin kayanka baka sa sai dai ka je in ka yi wanka ka sa kayanka in ba haka nan da zaka zo duk ma an fuddo ka cikin kabari ba ta da kyau hayya ciro gaskiya mu dai yanzu dai ba mu samu hayya ga magabatan mu muna rokon su su mu mu hayya wagga ta ciro da za ta biyo mu nan ciro arlit saboda talaka gaskiya suna shan wahala hanya tsakanin ciro da agar suka san hanya yau gyara ne take so in aka gyara ta za ganin komin ya wadata matsalolin da ake samu dole ne sun da mota ma wani lokaci mun lafiyar ta gargagar da akwai sai gani sai an ta wani lokaci kaga ta kafa ta fita ko kuma wata kusa ta fita baske gargada kai kuma kaga mutane yanzu zuwa da kurar da kai wani baya jimirin kura sai ga yana amai wani lokaci kana da randabun da ya kamata ka tai a lokaci sai gani kuma mota hanya ta baci ba ka samu ka nan kuma tashi hankalin da kai wannan kuma sai mu roƙon ubangiji Allah taimaki jami'an tsaron mu su samu nasara a kowane lokaci bisa wannan mutanen. Ahmad Shumuk en troisième vice-maire de Tirozérine estime que le mauvais état de cette voie touche l'économie de la commune. Hanya ta mu da Agadas hanya ce wadda kaman piste ce ba hanya take kamar takwalta hanya ce ta karkara dama harka hanya harka ce babba wadda ko gwamnati tana bata wahala in ka doki hanya misali rta ka gani shekara nawa tana cikin matsala amma har yanzu ba a samu an cimma an gyara wannan hanya amma wannan kaman pisriral kenan kokarin da mu ya kamata mu kawo mun kawo shi kuma ya kamata mutane su gane da wannan kuma su yi godiya ga partner kin da ya kawo mana wannan tallafi kenan bai kamata ba a ce kamar mutane ba su ga amfanin gyaran da aka yi Amma sai mu na komin do dokokin da gare mu mun sa komiti komiti cikin garuruwa na wanda hanya ta yi traverse tare da partener wannan wanda ya yi gera an sa komiti komiti kojes wanda su za su kula da entretien na hanya kamar in akwai geran da ya kamata za su yi sai su yi shi kenan wanda ya yi karhin su siyo mana remontin shi sai su kawo shi nan muhammad Gado transporter a Agadez Chirozérine déclare que le développement entendu ne serait pas possible si nos routes toujours dégradées. yake bunƙasa ba abin da ke sa shi bunƙasa ban da gyaran hanya in akwai hanya dole ne yan zirga zirga yan kasuwanci yan transport masu saye da saida kuma kaga sun samu komiya ta a lokaci yanan kana iya tashi in hanya na gyaran minti talatin ne ka je a garska ida harkokin ka dawo in ka ne ka tai ka ɗauko ka dawo ka saida ka koma kenan hanya abin da muke fata muke roƙo gare ta a yi ƙoƙari a gyara mana ita surtu yanzu kaga ga harka da nan tato Le reportage est signé Ahmed Felan qui est d'ailleurs en ligne avec nous depuis la ville de Tirozérine. Ahmed, inakwana. Inakwana Ina ah, Fanta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya garin Tiro ya waye gari. Wallahi alhamdulillah. Tumadala. Mm. Nake ta sauran masu sauraron mu suna son su san ina ne situation kin Tiro kama a ina take exactement. Tiro Zerin ah, tana zamu cewa kilo arba'in da biyar kenan arewacin garin agat gari ne kuma wanda aka sani da turpkin nan la celebre troupe de chiro Wala nan ne da kai troupe albishir bien sûr <laughs> to tout à l'heure reportage kinka ahmed ya kawo zancen hanyar zerin da take nan tana ba ma masu biyar ta wahala wallahi fanta inda kin ga talakawa suna shan wahala sama hayyan nan saboda an zaka tafiya aga da yanzu mhm. sai ka dauki leda ka saboda sai sai da kaya amai to yanzu kana taya da yara saboda kura bala akwai kura kuma akwai war mai wannan gazuwal mm. yanzu ka dauki leda ka ka dauka ma yara ta su paske kai kana amai yaran yaran su ma suna amai baka san bayar da zaka shiga gari ba kamar akai ka likitan an sabke ka subhanallah wallahi mutane a kalmar dai duk da iko yana kokarin shi dai amma gaskiya dai ana ana wahala a kalman dai Parlan da iko dama Vismer yayi zancen Pisti Rural ce, to ita Pisti Rural yaya ne take ga waɗanda ba su santa ba? Eh kamar wai haya ce wanda yake kawai a cikin raire ne ko kuma cikin itace ne za a arka gudu haka nan mhm. take Pisti Rural ce. Mm. To yanzu haka babu wasu alternative da mutane suka samu. wallahi actually da yariyan da amma dai muka je wurin iko dai ana cewa dai za a gyarawa ana dai ana dai fada fadan nan ko ba mu sani ba Allah dai ya sani Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. tout de suite la page sport avec Hasumi Karimou Gourouza. Bonjour Gourouza. Euh, bonjour. Bonjour Gourouza. Bonjour Fanta. Alors pour ouvrir cette page sport, nous irons en RDC pour les Jeux de la francophonie où le Niger a fait un exploit en football. Oui Fanta, les ambassadeurs nigériens étaient hier face au Liban dans leur euh, seconde sortie en football. Score final pour cette confrontation Niger-Liban, 5 buts à 0 en faveur du Niger. Je dis bien 5 buts à 0. Exceptionnel. Malgré la défaite du Niger face au Cameroun, 1 but à 0, les Nigériens sont sur la bonne voie. Aujourd'hui également, les lutteurs nigériens vont euh, compétir dans les différentes catégories. Nous y reviendrons. Revenons à Niamey pour parler du TGV de Taekwondo. Oui, effectivement, prévu de se tenir euh, le 29 juillet dernier, ce tournoi va se tenir ce week-end. Les clubs de taekwondo, en collaboration avec euh, la Fédération nigérienne de taekwondo, se préparent activement pour la huitième édition de la compétition de taekwondo édition en 2023. C'est une compétition d'ailleurs euh, qui se déroule pendant les vacances et regroupe plusieurs des clubs, plusieurs clubs pardon, euh, dans plusieurs catégories, euh, dont les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Tout est fin prêt selon l'un des organisateurs, Maître Moussa, responsable du club Dragon d'Or. Nous l'écoutons. on est aussi dans les préparatifs aussi pour vraiment que les athlètes soient vraiment à jour pour euh, rencontrer ces PGV-là. Il y a beaucoup de clubs, il y a les clubs de Niamey, de l'intérieur du pays et même euh, des internationaux. Oui, c'est pour la promotion vraiment de la jeunesse, c'est pour que le taekwondo euh, continue à grandir au Niger et vraiment dans l'Afrique, juste euh, dans le monde entier aussi. Vous pensez que le taekwondo nigérien marche bien Oui, en effet, ça marche, ça marche pour le moment. On ne dit pas que ça ne marche pas, mais euh, ça ne manque pas de, de petites... Euh, erreurs, quoi. Vraiment, avec le temps, ça va s'arranger et ça va bien marcher, Charles. Et parce que le taekwondo, vraiment, je veux dire que c'est pas parce que je le fais, mais vraiment, c'est l'art roi. Ça contribue beaucoup à la santé, d'abord. Ça contribue aussi vraiment à la défense et ça contribue à l'éducation. Vous voyez, vraiment, c'est un art qui ouvre l'esprit, l'esprit vraiment des jeunes. C'est vraiment très important. Les préparatifs vont bon train. On peut estimer à combien le nombre euh, d'athlètes qui seront Le nombre d'athlètes, bon, ça dépend de 500, 600 athlètes. C'est ça va Oui, Fanta, voilà, c'était là le responsable, l'un des organisateurs, le responsable euh, du euh, Dragon d'Or. C'est tout euh, pour ce sport d'aujourd'hui et bonne fête d'indépendance. Merci beaucoup, Gourouza. Chers auditeurs, à présent, place au portrait du jour. Habiba, tu nous présentes qui ce matin Il s'appelle Ali Hassan dit Ali Gouja, né à Gourouji, un hameau rattaché au village de Karegourou, commune rurale de Bitinkoji. Âgé de 48 ans, Ali a commencé à pratiquer son premier charo à l'âge de 18 ans dans le canton de Namarou, une culture qui est une coutume chez les Pel. Ali Hassan a abandonné les charo, Cela fait 30 ans. Notre reporter Omar Hamma est parti à sa rencontre. Voici son portrait. komin puɗɗi soro mawnirare amin yaari soro leydi kurteɓe leydi namaro nokkur no wiye kaare teji dow dow yonkoto mi yeehi toon mi heeɓi walde am suka karman wiye addu yasay minen muɗum min piidi hitande muɗum hitande muɗum e alinku yarani goɗɗo no wiya alkamisa hinaru min ɗo kareteji nden min jeeyi soro gon soro gon weeli alhamdulillah sukaɓe bitinkoji bitinkoɓe ɓe kurteɓe kamɓe potti toon ko ɓe potti toon ɓe gaɗi soro jam e jam hanti jam e jam hunde noon teddugal gam kurteɓe yimɓe ñaƴonoɓe soron e puis kurteɓe ɓe kollete sa hana fijirde soro waddima a fiyo soro fof kanka baleydi mabɓe a wilatako e puis so ni on kawta fagere on jaadata sana fagere nde hanti ñande fagere nde hanti on fof on noddodiran kawron nokkure wore jaafodira ñalliruji gaɗe nemaji gaɗe yimɓe jaala jewta yimɓe dilla garta jonkene doma soro kon enna madala ali e tutima nadde soro to ko tuti kam nadde soro ni woni mi tawi mawnirare amin ɗo um ko fina tawa e fulɓe gam fulle ko wattete soro so hunde ñaaƴon kulle ɗiɗi no hawra on on potta dow debbo ndego ndiwodiro na niɗo na yiya ɗum wele mbiya ɗon weli kam mi yaranammo soro jewton dow majjum jaa ciroɗon jewon duro on jaron sele moɗon gaɗo ko gaɗoton fa gaɗon sembeji gaɗon potton piyodiron fa henno fo faama walla oto to heedi ɗo no riwe dow debbo ɗum welatama mbi an o riwi kan ɗo debbo ko riwi kan ɗo debbo moynijo no wuuro moyni mo ñaƴanammi o mi yaranamma soro do fila ndiwka majju ali lele no anda a piyo soro aɗa wawi haala ndemi cabbi foti gaɗɗa ko accuɗa soro wallay ñommeji ɗiɗi ni gam gam ñommeri so junggon no wuuli fuɗɗutta ñommeji ñommeji so jiɗa ñommeji muɗum limama fou kano laalo laaloɓe tayna ɗum ka hana laalo hana neɗɗo piyo ñammeji muɗum ɗuɗa gorko piyo worɓe jaati fa wooɗa wooɗa ñammera ko soro muɗum ɗuɗata min mi fii suka sa giya goto ne wiye koyranga sambo mi fii suka karma goto ne wiya addu yaasi o ɓi bitinke o ɓi kurtejo minne ɗo soro amin haaɗi ali ley soro neɗɗo fo yima yaasin no yawnima amma senatama ley soro fo no yiiri iri alamaji gon aɗa wawi haalande min ɗumon umar ɗum ɗon ka gunduno wonko gollete ko waɗa kan gorko kay yata ɓulum e e nokku gon enɗa ɗum ɗon kay maru jon kay hunde noon ko fina tawa ko wawi yimɓe mbawi resude ɗum caɗali irɗe hen jiiɗa ley soro to caɗale ko yiya e soro ni woni hunde noon ko yimɓe dirta nden gande ni piita jomum to nokku fuu to mbofuɗa piiɗa ɗum fuu a wosaynide so mbofuɗa ko allah hoddiri hande sukaɓe hande ɓe naati guineji bonɗi hakkilloji mabɓe gala e mabɓe jomum no yardi heero fiya to wawi larɗindema gam batte walama fiyatama dow ɓi babare ko fiyatanama dow kanka no wañima ɗum noon e puis soro hunde no fisibilillahi maru ko ɓuytata filde fulɓe e gam ko fina tawa nden ɗum wala nden durgol woodi jawdi no woodi fuu no woodi dabbon na ingala tum jata bonnino ngala sina tawama dow ɓundu no jarnete kulle maɗa no ɓirete gaɗa duuɓi ata ladde no murade hoggoma fuu no wawi waɗeddo filla jawdi maɗa de hande ɗum wala anne si jaaɗa yiyama na a fittana a jikkana a huuɓana a wiya naamu tokkuɗa fuu murso ni sake tittoga handen harka tubako no so harka tubako warti du namu sa ni nde ciran a ndesaɗa nde ana a woppan ɗum laykoy de ka a resan nokku muɗum de sande coƴƴiɗa e filde nden handen jaman warti jaman filde jawdi na muji himbe tila himɓe boppaɗi gam jaman majji wayli so a woppay ko ko tawɗa jonka a jiwnana leñol ma de a wawa hoƴude naamu ko wawi waɗude fijirdeji waɗude goɗɗum sana ñande batu warde ñande worre watta sankito jonka ni a wawa orde ɗo jagolloa gam min to jiɗata ko fijirde fuu ne jami maru fu sor ɓuuri welde ka sorpinimi himɓe gorji tawmi ɗon himbe saagi ana gaddana himɓe gorji gori gorji ne jarana himbe saaga himɓe gorji ne jara leydi namarde en yaaha yonkote en gillawa en sikeye en balati en toon ɗum fuu ɗum hawra ɗum yaa ɗum fiya kamɓe ɓe kurteɓe hannde ɗum warrano nafa ɗi di e keɓɗa nder soro e woɓɓe no baawi heɓude haɓɓanaji e soro de min mi nangganama e soro dey hana nyomira findu kam no bumbo nangani ka minen wonko nan goɗɗo no e yero isagu kam nangani kam alhamdulillah alsuru suuru lawol fo ɓe goɗɗo ɗum na fiya ɗum kokka ɗum nagge Voilà, c'était Ali Hassan au micro de Omar Hamma. Chers auditeurs, nous allons à présent écouter la toute dernière, enfin, la musique, une autre musique, pardon, de notre playlist. L'artiste chante ici pour les célibataires tout en humour, écoutant ensemble Koukangobro de Mahmoud Abdel Salam. a bani wurin zama na san shabbai ya gida na yi jira sai ya taho rasa ni ni ba da les le titre Koukan Gobro de Mahmoud Abdissalam. Chers auditeurs, on passe maintenant à la rubrique affaire d'aujourd'hui qui nous parle de l'insuivisme. Oui, Habiba, car il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. Et c'est de cela que les femmes du studio Kalango traitent dans ces lotis. Hey Ke ke biba me ke faruwa a nan? Amifa ina ganin jerin gwano ne ake. Zo mu laɓe nan haka in ba haka nan ba za mu kwashi duwatsuna a husband <laughs> wallahi Allah. Zo da yake gani ba zan can dariya ba ne. To wai tsoron me ma kike yi? Dan kwanta da hankalinki mana. In kwanta da hankali na Kina nan ga ganin suna ta hashe duk abin da a bisa kan hanyar su. To in a nan fa wata adda ta kubce ta faɗo mana. <laughs> adda kuma? Ke ma dai akwai ki da ƙari. Amma ke dama matsoraciya ce. na gwammaci a ce tsoro gare ni da irin wannan abin ya same ni kuma baki nan ga ganin suna ta lalata komi da komai saman hanyar su wannan rishin kishin ƙasa ne kawai kaka ni kin san ba gane wannan dogon turancin naki nake ba baki nan gani abin da suke nan gai ki duba ki gani suna ga fashe fitilunan zirga-zirga da alunan tallace-tallace da alunan zirga-zirga kuma suna nan ga lalata kwalta tare da tayoyin da suke nan suna ta konewa kuma suna nan ga lalata alamomin tarihi Ah, ne kike nihi da rishin kishin kasar. Eh mana, kin ga an ce kishin ƙasa an ce girma mata da kuma nuna kishi ga dukkanin abin da zai iya faruwa ga da'irar da yake ciki, inda yake nan ga rayuwa. Girmama iko da doka banna a cikin waɗannan filaye da na kowa da kowa ne ba abu bane da zai aiwa mu na ɗa mai ido mu duka To da me yasa ma suke haka? Na san dai saboda rashin kishin ƙasa ne kamar yadda na gayi, da kuma rashin sanin abin da ya kamata da abin da ya fi kyau ma ƙasarsa. Ko kuma in ce kawai rashin bin ƙa'idodin rayuwa ne da zaman tare, da son rai. Kuma ba ma shi kenan ba. Kishin ƙasa shi ne kuma a rinka tuna nauyin da ya rataya a wuyanmu a matsayin mu na 'yan ƙasa tare da kula da duk abin da wuri ne da jama'a ke amfani da shi da kula da fitilun zirga-zirga bakin ga akwai wasu 'yan tudu ba da ake ginawa a bisa kan kwalta saboda a hana motoci koko a sa motoci su rage gudu ka sis kike cewa to shi ma bai kamata a ringa yin shi ba cikin anguwanni inda mutane jama'a suke amfani kuma kin gani wani yadda dauda cikin gotoci duka ya kamata a daina hamma ke bar man tsaya da nan dan abin ya fara bani takaici to amma ai ya ci a ce an gurfanar da masu irin wannan aiki ko babu wata doka ne akai to ni dai na san da cewa wanda hukumta laifuka na shekarar 2003 na kasar Nijar A cikin ayarsa ta ɗari uku da da tamanin tara, ya ce duk wanda a cikin son ransa ya ɓata ko ya juye ko dai ya lalata alamomin tarihin nan ko gada ko dam ko hanyoyin da jama'a ke amfani da su ko gini da ba nashi ba da duk sauran wasu abubuwa dai za a iya kai shi kurkuku tsawon shekaru biyu zuwa goma da tarar kuɗi jika goma zuwa jika ɗari na sefa ni fa ba lauya ba ce kan in shiga cikin wani dogon surutu wai wai wai wai wai wannan duka amma suke ci gaba da yi to ko dai basu sani ba ne. to inda suka bari aka damke su za su gani mu dai yanzu bar mu ta kama mu bar wurin nan to bi ba ke baki tsaya ki dan kwatanta musu kamar yadda kika kwatanta mini wacce ta ni amma wallahi baki so na da karuwa fa wa zai saurare na diba yanda suke nan ga wata hauka kamar wa'anda adda iskoki dibo zo mu lallaba mu huce ta nan ga mu tai zai fi aifa mu da ɗan mai gida ai dama na ce ke ya ce bai komi tai dai mu tai <laughs> auditeurs, dans ces studios, nous sommes aussi en compagnie de Abdul Moumouni Ali Niali pour la culture linguistique. Bonjour Niali. Bonjour Abiba. Bonjour. Euh, Fanta. <laughs> Bonjour Niali. Quel est le mot du jour Donc, euh, comme nous sommes en saison des pluies, nous allons parler du drainage. Le drainage est une opération culturelle mise en œuvre pour favoriser ou accélérer l'évacuation des eaux ou de leur excès sur un terrain agricole. En cas d'inondation, cette technique est utilisée pour évacuer les eaux et sauver les populations et leur habitat. Mais Niali, est-ce que le mot drainage peut prendre un autre sens Bien sûr, euh, Fanta. Le mot drainage peut prendre euh, un autre sens et le sens est dans le domaine médical. On utilise cette expression également dans ce domaine et cela consistera à évacuer progressivement un liquide ou un gaz du corps humain ou animal. En Fulfulde, qu'est-ce que le drainage Oui, en Fulfulde, le drainage, euh, c'est ce que nous allons essayer de définir ko indira drainage der francire kan woni ko eten dugginol diyam wurtina e gese na Dunifa fa hande e ruggaji no laato duni fa hande e de ni toɓama no tefa nyamude bangere na sire sigila o Dunifa fa hande no wadi c'est Chili Gade, de awdiri de endan gan to nyolna daro ñolna to hano non duni fa hannden no kalirɗe nder francire konngol ngol enden no nawtore du fa hannden nder laabi ñawtigu himɓe gurti na bi en duni fa hannden dabareji goɗon gaɗete gam wurtinde diyele ñawɗe na du fa hannden henndu e ɓanndu ɓi adama na e ɓanndu ɓi daaba goɗon de ni duni fa hannden misali neɗɗo ƴeegama ɗum waɗa dabare duni fa hannden wurtinde diyele ñolɗe ɗe enden he ɓandu neɗɗo e wurtinde duni fa hendude ni daaba bujugo muɗum ɓettina tekkitol muɗum adi hendu merci beaucoup ñalli merci et bonne journée bonne continuation merci beaucoup Chers auditeurs, si vous aussi vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en haoussa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas à laisser un message vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Sunana Kabu Garambana. to shirye-shiryen su da yake birge ni sun kai kashi biyu ko zuwa uku haka akwai shirin da suke yi na sadiya mata lakwal akwai shirin da suke yi kuma na ta likita a yi awo mace ta samu ciki akwai shirin da suke yi kuma a ban maɗiya auren dole duka wani ina sauraron shi shi na birge ni sosai to cikin shirye wanda nake so da ƙara bisa ga abin maɗiya auren dole muna son a ƙara wannan a ƙara mutane hankali kuma sa ɗiya makaranta ya mata. Muhammadu Ibrahim tabbas ina ɗaya daga cikin masu sauraron Studio Kalango musamman ma shirin su wanda suka kara lokaci na sahi wannan yana katar da musu domin a Studio Kalango ne muke jin labaran gaskiya ba jite-jite ba muna jin kaman ka ji wani labari a cikin gari ko baka yarda da shi ba in Studio Kalango ta faɗi wanda ta ce an yi wani ba gari kaza ko gashi gashi abin da ta faru a cikin kasa muna gane gaskiyar bayani a Studio Kalango Madame, Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons cette fois-ci vraiment écouter la dernière musique de notre playlist du jour. Il s'agit de Kennedy Star avec le titre Seinaji. chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce jeudi 3 août 2023. Vous étiez en compagnie de moi-même Fanta Chamsou et Habiba Ahmed. Le plaisir est grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Abdoulaye Bunga et à l'édition, c'était Adama Dawaki, la dame de fer. Bonne fête à tous les Nigériens.